à la parole. Écoutez votre collègue. Écoutez votre collègue Aminata Kandé à la parole. Euh, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre manglen du du du département. Euh, chers collègues. quoi yéen tuuti man daa am doole parce que ko teg moo dem liggéey waaye ñaar monsieur le ministre euh, maa ngi la doon laaj sa collaboration ak. Euh,